départ des euh, a commencé élection yi. a commencé campagne bi mais le matériel de Amourouba ne pouvait pas sortir. ah bon comment ça. mais on s'est battu pour jot pour nous distribuer pour nous dire parce que c'était bloqué c'était carrément bloqué par l'appareil de la paire. les gens les comités même Khalis bi yex na guen auto ils yoy auto yeeg yoy c'était c'était. avait dit que qu'il serait le directeur de campagne de il n'a jamais été le directeur tay lan la wax tay à la fin né sax directeur de campagne euh, de la coalition forcément. oui il y a eu forcément discussion discussion. entre Sonko. Mm, euh, parce que le dénouement. yo muno nek 4 ans. ngay parce que moi je suis témoin de certains faits muno ko wax damay je vais quand même <laughs> rester homme d'état mm. sur certains faits. Mm. mais muno pendant 4 ans. lu ne nu eu deg nañ ko fi ci wax entre Macky et Sonko les l'histoire de Gatsa ah, Gatsa les l'histoire de Samuel Do, euh, daf ou rey ba ma bamareko hmm. le cooki euh, fin hmm. lu ne dégg Arrêtez ko fi hmm. Arrêter Sonko fii ko lu tous les loueurs wër Sonko nga arrêté ko du jour au lendemain la première interview de Ousmane Sonko C'est pour dire, c'est pour dire que, moi, ah, ah, ennemi, ah, mais il n'y a aucun problème avec Macky Sall. Il y' a problème. Il mhm. y' a problème. Mhm. man le ma toog ak Amadou yëpp musuma dégg mu wax lu Ousmane Sonko au contraire il a toujours considéré comme un jeune frère un collègue ak bu ñu souvenir li ce ci ñu dàq Amadou Ba Ousmane Sonko ci la bokkoon parce qu'il a mhm. refusé de radier Ousmane Sonko. la radiation de Ousmane Sonko était sur la table d'Amrouba pendant un mois C'est certes, Cheikh Tidiane Ba dañu teg pression ba mu dàq Ousmane Sonko. Ah boobu Amadou Ba était en voyage. donc Cheikh Tidiane Ba ben, il faut regarder, c'est pas loin, l'histoire mm, est là. Mm. Donc, nous le faisons demain. Et pour, pour dire vrai, même Mamour Diallo, à qui aujourd'hui il y a eu un combat profond entre lui et Ousmane Sonko, il avait demandé au président Macky Sall de ne pas radier Ousmane Sonko. Mm. Il avait demandé de ne pas le faire. Donc, bu ñu demee ba fay yooyu yëpp am nga nekk sa fin mandat yow nga jël ki nga doon xeexal nga libéré ñi fa libérer ko mom créer une loi d'amnistie bu ko arrangé arranger les la yow. Mhm. parce que man waxon na sun ben xarit mais arranger mu non mais arranger na parce qu'il y a des proches il y a les Mame il y a d'autres personnes qui étaient impliquées dans des faits yo xamné tay peut-être l'histoire va nous le va nous le dire plus tard. Mhm. mais pour que Ousmane Sonko accepte aujourd'hui même d'aller jusqu'à défendre Macky Sall c'est parce que mom amna lu ko ci arrangé lu mu ci jëlee amna lu arrangé Macky Sall lu mu ko ci pour ñu mën a apaiser chacun y a trouvé son compte quoi. finalement chacun y a trouvé son compte finalement. Mhm. c'est on s'est rendu rendu compte de ça. loolu yëpp ñu def ko ñu campagne présidentielle boo xam la dernière semaine yow mi nga xam ne yaa am sa candidat tu n'as jamais prononcé le nom de ton. Le candidat ouais. il a jamais prononcé son nom. il vient opposer un acte. lu candidat bi mujjee Dag. Euh, campagne campagne mais c'est lui qui a été demandeur de l'audience ou pas. je pense que sur ce cas c'est Amadou. je crois qu'il a été exacerbé. oui oui oui parce que fatigué en tant qu'humain parce que nous def fait fàttali euh, réunion de directoire mhm. et c'est là aussi que je mhm. salue l'esprit. Mhm. et la grandeur de quelqu'un comme Aliou Oussal, qui a été ah, vraiment très sincère envers Amadou Zara Yancham euh, Ibrakan et autres, euh, mhm. qui ont soutenu Amourba dans ce combat-là. Mhm. Mais quand nous avons le King Fat, mhm. il a fallu que man, Aliou Sall, Zara Yancham, Diopsi et d'autres, qu'on se, qu se battre pour que nous salle nous ubiko. Parce que nous, au moment où, nous avons 14 heures, nous avons un message directoire de l'autre Amati. Mais comment vous avez Bon, mais c'est des responsables de l'affaire mais nous, nous sommes à il faut que mhm. on l'a transformé non pas en réunion de directoire mais on l'a transformé en meeting. Mhm. si dites que nous nous décidé de mhm. dañuy le le le meeting de Guédiawaye. il faut vraiment. qu'on rende hommage à Aliou Sall. parce que il a eu le courage. de soutenir Amadou et d'y mettre les moyens de le soutenir. Il a amené une activité donc donc à euh, ce que euh, l'adage dit euh, ou bien l'image populaire moi, moi, moi, ça, Sall ça n'allait pas du tout. non ça n'allait pas du hein? tout. ah c'est clair moi il a carrément dit lii laay def te def respecté mm-hmm. je pense qu'à partir de Tivaouane la à un moment il était excédé. Mm-hmm. dellu si mm-hmm. il l'a pas reçu effectivement et j'ai même entendu des gens dire. Oui, c'est la famille omarienne ñoo fa ñun jaaruñu c'est pas la famille Thierno. ah bon ma déggoon naa ñu ni On ma ni c'est la famille omarienne qui a essayé de convaincre Macky Sall de de de le recevoir et donc Amadou Dag kii euh, non non. Mais nga tey man man man j'ai une proximité avec la famille omarienne on nous prête beaucoup de choses Mais sais que le choix d'Amadou d'être candidat de se présenter ça n'a pas été un choix de de notre calife. Mhm. je parle en connaissance de cause mhm. la famille omarienne le calife aussi euh, Bachir mhm. donc on nous a projeté beaucoup de choses yoo mais ce moment bay campagne campagne c'était un Amouroua qui était devenu excédé. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à Touawan Parce que en réalité, parce que en réalité, on était encore en train de, de nous saboter, de nous saboter. Le, non, pour Mbakawi, pour réussir, nous saboter pour Touawan, mm. pour saboter pour Saint-Louis. Il y avait Mansour Faye qui préparait. Parce que Saint-Louis, c'était la prochaine étape. étape. elle s'est dit que mon nous continuer de demain à chaque fois muy avancé nous koy tegal ay ay et c'est les gens de la paire c'est le président en question qui est très impliqué dans ces faits là la pour nous faire affaire boobu Si le président vote après réunion nee na libéré la et que nous avons dem élection mais il n'a pas été reçu à ce moment-là il n'a pas été reçu il n'a pas été reçu c'est grave quand même oui il a continué sa campagne mais il faut que nous tamit une mission mm-hmm. mais la sanction au final du soir de l'élection. Mais c'était un référendum contre Macky. Parce que ça aurait été un bénin candidat à Amourouba. Il 15 ça de parce que finalement nous a eu sympathie ba 35 euh, de l'électorat. mais c'était un référendum contre Macky. C'est ce qui a amené ça. mais Amourou est allé jusqu'au bout de sa logique mais Amadou au soir ba ñuy def pression pour Amadou déjà ba nit ñi di féliciter Diomaye Amadou c'est un c'est un homme d'État il aurait bien voulu le faire parce que boobu Il y a eu un quiproquo ndaxte il a euh, dafa njëkk annoncé benn ñëpp nga doon xaar mu féliciter Diomaye après moom mu annoncé né euh, day def conférence de presse qui euh, s'est siège bi après finalement ba mu ñëw ñu àndu ñëw après nous ñëw tardivement ba mu dafa rendez-vous le lendemain. effectivement parce que. à ce moment il nga avait pas cette communication entre lui et le président de la. Bah, République. loolu là bëggoon xam dama bëggoon xam ne man d'abord foofu foofu euh, honorable nous ñu taxaw tuuti mooy euh, euh à à quel moment yow mi nekk ci staff bi à quel moment vous sentir ne euh, ça basculé vers Diomaye Vous sentir que vous a ngi perdre aussi est-ce que Maki waxtaan naa wax waxante Amadou ba ne ngi ngi je sais pas ndax am wax Amadou au moment où on perd mm. nous honnêtement parlant nous on pensait au minimum qu'il y aurait un deuxième tour. c'était ça la discussion soit Amadou allait venir en tête ou un deuxième tour. Mm. c'était ça mais man ba ma tendance mm. à partir de 22 h je savais que les carottes. Parce que vous me déguez bas les résultats de mm. Touba, certains résultats euh, de la diaspora. Avec 2h30, je déjà donné là. 2h du matin, là, il y a plus d'une trentaine d'appels. Moi, je suis mais bon, Diomaye a gagné. Mais Amadou n'avait pas, peut-être lui, à ce moment-là, toutes les informations mm. nécessaires. Et voilà qui est Parce que quand il y a un mais mais jusqu'au moment où Amadou man ci li Amadou a été allé le lendemain pour faire la déclaration pour pour pour féliciter Diomaye le président ne l'a pas appelé. Ben ba Amadou Sénégalais le président ne l'a pas appelé ci li rien dit mais man le président ne l'a pas appelé. Mais, mais, mais, c'est gravissime quand même. Alors que certains disent que le président n'a pas appelé Amadou, mais il a appelé Diomaye ñu bëri nee mais xam nga lii sorti bi nit ñi dañu dañu négliger li Omar mm. Sow wax. Mm. mais li Omar Sow mm. wax. il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ah, Omar Sow quand même il a été un soutien individuel du du président Macky Sall. donc lu Omar Sow wax am na lu ci bëri loo xam ne.